الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الجنة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه لبات من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به سرق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وصلى الله تعالى على نبيه الكريم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 وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولن الله سبحانه وتعالى لكلمة لتميزي ريكوردي كي نفوض انكور نزابرني ان سجور سين دي الاسلام دي نوري تروبي وتنسى بارول انسي كوتن لا بارول سن بروفيت Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. En ce huitième jour de ce mois béni, Shaban nous avons le devoir de remercier Allah wa pour nous avoir montré le début de ce mois et nos prières, conformément à celle que le prophète sallallahu alayhi wa nous a indiquées celle qui consiste alors à dire Allah bienvenue le mois de euh, Rajab, le mois qui est passé, l'un des quatre mois sacrés, au cours desquels justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé un certain nombre de jours de jeûne et un certain nombre d'actions salvatistes à la maison où si Allah a euh, déclarer la consacralisation de ces noms comme les autres trois mois, donc euh, Zulkida, Zulhajj et Muharram. Si Allah a dit que ces noms sont sacrés, c'est qu'ils le sont. Et nous assistons d'ailleurs de façon, si nous devons regarder le rétroviseur de l'histoire, il est rapporté que les Arabes, pendant ces mois, ils arrêtaient toute forme de velléité. Et ceci, bien avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous ramène à l'enseignement d'Ibrahim et de son fils Ismaël alayhi salam, c'est le vestige de, de ces enseignements-là qui ont fait que les Arabes, même pendant ces quatre mois, ils arrêtent toute forme de vendetta, toute forme de guerre, etc. etc. Il est évident alors que ce mois se particularise des autres mois, ou ces mois des autres mois. Et euh, cela, évidemment, nous pousse à faire, à accomplir beaucoup, beaucoup d'actes euh, salvateurs euh, qui pourraient nous engendrer, évidemment, des hasanats dans le Et le prophète de et de Shaban Donc ce mois dans lequel nous nous trouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois euh, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est ce mois dans lequel les gens sont distraits, ils sont négligents. C'est ce mois qui est coincé entre Rajab, un mois sacré, et Ramadan qui se passe de tout commentaire. Il a été rapporté de Osama bin Zayd, Zayd bin Haritha, l'a franchi, l'esclave a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd bin Harith, donc son fils Osama, a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam le pourquoi il a constaté qu'il gêne beaucoup dans ce mois de Sha'ban. C'est ainsi qu'il dit à, à Osama c'est bien ce mois où les gens sont distraits, qu'on entre Rajab et Sha'aban et Ramadan. Et c'est ce mois où justement les anges chargés de compiler toutes nos actions dans des documents, et une fois compilés, c'est dans ce mois que ces documents, ce travail abattu par les anges est donc rassemblé pour qu'on le présente à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'infiniment transcendant. Et qu'il souhaiterait, le prophète donc, euh, que ce qui clôturerait ces, qui clôturerait ces, œuvres-là, ce serait le jeûne. Un jeûne de ce mois de Shaban. Donc, voilà un jeûne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même euh, pratiqué et qu'il a également recommandé. Il a été aussi rapporté la même observation avec Aisha anha qui évidemment dit n'avoir jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir un certain nombre important de jeunes comme il le fait dans ce mois en dehors du mois de Ramadan. Il est même rapporté qu'elle a dit dans certaines versions que le prophète sallallahu alayhi wa a, accompli tout le mois de Sha'ban. Et dans une autre version, il ne reste que très peu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplisse tout le mois. C'est dire que les ingrédients euh, permettant de jeûner ce mois existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, il a été rapporté qu'il a beaucoup accentué ce jeûne dans la première quinzaine de ce mois de Shaaban C'est à titre de rappel, c'est le mois qui vient immédiatement avant le mois de Ramadan. Nous disons qu'il y a une certaine philosophie un, certain enseignement, une certaine pédagogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mettre en évidence à propos de ce jeune qui, en dehors de Ramadan, n'a été beaucoup plus important comme ce mois. Qu'est-ce qu'on peut observer euh, On peut tout simplement dire qu'il s'agit d'une préparation d'abord psychologique, spirituelle, mais également physique du corps de l'individu. Il y a des gens qui, depuis le mois de Ramadan passé, donc de l'année passée, ils n'ont jamais croisé un seul jour de jeûne. À cela, il est évident que l'organisme s'est trouvé complètement absent au sentiment qu'on a quand on jeûne. Or, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tous ceux qui remplissent les conditions. Ce jeûne est obligatoire. On constate que c'est à titre de préparation à cet avènement obligatoire qu'est le mois de Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a initié donc ce jeûne afin que cet organisme, ces organismes qui n'ont plus jamais connu le jeûne depuis le Ramadan passé puissent s'entraîner dans ce mois et quant à surtout, ceux-là qui, parce qu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et, et fait nous parvenons le mois de, de, Ramadan pour parachever le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons, inshallah, nous trouver en plein Ramadan. Le prophète a initié ce jeûne afin de tester l'organisme. Pour ceux qui sont en bonne santé et qui n'ont jamais jeûné, il y a un entraînement à faire. Mais nous allons entrer en Ramadan, Inch'Allah, oui, vous allez, dès le premier jour, des gens vont commencer à manger l'estomac. Ah, moi, le docteur m'a dit de ne pas jeûner, moi, etc., moi, etc. Et, eh! sans toutefois mettre son organisme à l'épreuve pendant ce mois test, c'est-à-dire le mois de Chaban avant de déclarer qu'on a l'estomac qu'on ne peut pas jeûner, chers frères et chers sœurs. Testons notre organisme dans ce mois et essayons de voir est-ce que nous pouvons gêner, oui ou non. Mais on va s'abstenir de le faire. On va se trouver en plein ramadan et on va prétexter moi j'ai le j'ai l'estomac, mais qui c'est qui n'a pas d'estomac Etc. etc. C'est une maladie imaginaire pour justifier. Subhanallah. On va, on va, on va s'abstenir de jeûner. On ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala et un d'abord dans ce mois, est-ce que nous pourrions gêner le mois de Ramadan, oui ou non Non, non, on, s'obtient de le faire et on tombe carrément en Ramadan et on prétexte qu'on ne peut pas gêner, subhanallah. Donc, nous voyons que ce mois, c'est un mois sacré, c'est un mois euh, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'elle aime et que forcément le coefficient multiplicateur des bonnes œuvres doit être élevé, il doit être plus important que les autres mois. Alors, si nous savons que nous nous sommes venus ici-bas que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons prendre conscience et nous dire que nous ne sommes pas venus pour nous éterniser ici. C'est comme quelqu'un qui traverse un pont, et ce va se permettre de construire une maison Nous ne sommes que de passage. Et les signes du départ de chacun sont rappelés tous les jours. Si je ne mets pas maintenant à quelqu'un qui quitte ce monde-là en ce moment-là, et mon tour, ton tour, son tour, notre tour, votre tour, leur tour attend inévitablement. Chacun car le décret est signé. Toute âme goûtera à la mort et c'est vers Allah que nous allons, que nous allons tous y retourner afin qu'il nous demande des comptes. Alors Allah, dans sa miséricorde, n'a pas voulu dévoiler quand est-ce que je mourrai, quand est-ce que tu mourras, etc., etc. Mais le croyant, c'est celui-là qui sait qu'il peut mourir n'importe quand dans la mesure où il ne sait pas quand il peut partir. Il peut partir n'importe quand. Il n'y a pas des heures. À terme échu, qu'on soit prêt ou qu'on ne le soit pas, l'ange de la mort, chargé de venir pour recueillir nos âmes, il ne se trompe jamais disciple, il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. là un autre décret également est signé par Allah que l'ange de la mort nous visitera à l'endroit qui a été décidé par Allah subhanahu par les causes et surtout au terme échu. Le terme échu, on quittera ce bas Donc il est temps, chers frères et chers sœurs, euh, de prendre conscience de cela et de façon permanente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Kayyisu Mundana dana nafsahu wa amala bima ba'ad al-maut l'intelligent, celui qui a le souci de sauver son âme des affres de l'enfer, et eh bien c'est celui-là, selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dicte, c'est celui-là qui tient sa petite comptabilité de façon périodique. Le croyant est censé avoir un programme annuel en six mois, en trois mois, en un mois, en un jour, en une semaine, en un jour. Mais combien sommes-nous, ceux-là qui, à la fin de la journée, ont réfléchi à ce qu'on a fait de bien, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demain, on tâchera de faire plus, ou en tout cas mieux. Et qu'est-ce qu'on a dû commettre comme erreur Parce que l'erreur est à nous. Nous sommes créés avec des prédispositions de, de commettre des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons une nature perfectible. Nous sommes capables de faire des erreurs, nous sommes capables de les corriger et en matière d'erreurs, d'ailleurs, l'éminent président John Fitzgerald Kennedy disait d'ailleurs que l'erreur est pardonnable, mais la faute, non. L'erreur, elle la commet inconsciemment, sans le savoir. Mais si qu'on connaît sciemment, consciemment, eh bien ça devient une faute. Il dit, l'erreur ne saurait devenir une faute que quand on ne la corrige pas. l'horreur ne devient une faute que quand elle n'est pas. Le fait de tomber toujours dans des erreurs, toujours dans des erreurs, toujours dans des erreurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est permis de se tromper. C'est de par notre nature. Nous ne sommes pas euh, créés avec la même nature que des anges, par exemple, qui eux, Allah les a abstraits à toute transgression de ces lois. Les anges euh, ils ne commettent pas de fautes, ils ne commettent pas des erreurs, ils ne transgressent pas les, les lois d'Allah subhanahu wa Ils respectent tous les commandements d'Allah subhanahu wa Quant à nous autres, les deux sacrés, les jeunes et nous, eh bien ma foi, nous sommes des potentiels causeurs d'erreurs, ou pour être très clair, des potentiels pécheurs le prophète nous a mis à l'aise quand il nous dit les bani Adam khataun. Tous les bani Adam sont susceptibles de commettre des erreurs. Parce que le péché, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Mais les meilleurs de ces pécheurs sont ceux-là qui retournent s'alimenter ou s'alimenter ou s'allaiter à ces deux mamelles, al-gafour et Al-Ghaffar. Allah s'est donné ses attributs tout juste afin de nous venir en aide. Allah n'a aucun besoin. Euh, c'est comme on a trop souvent pris l'exemple d'une usine qui a besoin de, de produits, de matières premières pour fonctionner, n'est-ce pas Et les attributs d'Allah sont des attributs fonctionnels et permanents. Alors, pour que ces attributs al-Ghafour, pour qu'il y eh, ait pardon, il faudrait carnaval, n'est-ce pas, euh, nous pêchons. Et l'usine, elle est là, on nous attend, les deux mamelles sont là. Revenons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Nous allons euh, poursuivre notre entretien en pensant que ce Petit rappel aura servi à, quelque chose. Nous devons nous atteler à accomplir le maximum de bonnes œuvres afin que nous puissions trouver dans le delà des montagnes de Hassanat qui nous permettraient tout bilan fait de l'avoir positif. Et c'est ainsi que nous pourrions espérer. Par la rahma ta'ala l'introduction au paradis. Amen. Il y a parmi euh, les raisons qui nous amèneraient à ces délices-là, et eh bien l'observation du tawhid le tawhid. On parle trop souvent du tawhid, tawhid, tawhid. Eh bien, tawhid, si on peut le définir, le gatan, c'est-à-dire étymologiquement ou, ou, littéralement, le tawhid veut dire l'unification, affirmation de l'unité. De quelle unité Et le mot est extrait du verbe wahada qui veut tout simplement dire unir, unifier ou consolider. D'un point de vue conventionnel, c'est-à-dire istilahan, et au regard du vocabulaire religieux, et lorsque le terme tawhid est utilisé en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il signifie la connaissance, l'acceptation sans condition, l'accomplissement et le maintien de l'unité et de l'unicité de subhanahu wa ta'ala dans toutes les actions des humains qui sont reliés à lui directement ou indirectement subhanahu wa ta'ala l'infiniment transcendant. C'est ce sentiment de persuasion qu'Allah est un et unique, sans partenaire, dans sa souveraineté et dans ses actions. La Allah a, été celui qui a, celui qui qui maintient celui qui administre le cosmos après l'avoir créé, seul, sans associé. Allah administre le cosmos tout seul et sans associé. Allah d'ailleurs na pas dit Aouz billahi min shaitan rajim Inna Allah khaliq kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses. Et choses, tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah s'abstrait de toute association. Allah est celui qui a créé tout tout seul. Et il n'avait pas besoin d'autres compétences. Et parmi ses attributs fonctionnels, il s'est donné l'attribut euh, al-badi. al badi Al-Badiou, c'est celui qui a créé, donc qui a conçu sans un modèle de, référence. Allah n'a pas regardé, euh, je ne sais pas, une autre terre comme celle-là et qu'il dit, je vais créer une terre pareille. Il n'a pas regardé ailleurs quelqu'un qui aurait créé la lune, le soleil, tout ce que nous voyons, Allah l'a conçu lui-même et la seule chose, une fois décidé qu'il dise à cette chose-là, soit et elle soit, Allah subhanahu utilise les deux lettres kafun et nun et il dit à la chose kun, fayakun, soit et la chose devient ce que Allah subhanahu veut, veut selon sa volonté. Le tawhid, c'est ce sentiment profond qu'Allah, qu'Allah subhanahu est unique et sans égal dans son essence et dans ses attributs. Il l'a dit, on ne peut de façon plus claire. l'a dit, وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ إِلَّا la fasadata fasubhanallahi rabbil arsh amma yasifun walau kana fihi s'il y avait une divinité ou d'autres divinités en association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la création et la gestion des cieux et de la terre la fasadata eh bien un jour viendra où euh, cette harmonie que nous observons, le cycle qu'Allah a créé, il y a, nous disons, il n'y a pas de dysfonctionnement. Le soleil s'est levé toujours dans la même direction, il fait tous ces trajectoires Tels que nous le voyons, et ça c'est tous les jours, et ça c'est tous les jours. C'est immuable. Alors, s'il y avait d'autres divinités avec Allah subhanahu wa eh bien ma foi, un jour, en cas de mésintelligence, euh, si Allah avait créé ce cosmos en partenariat avec d'autres divinités, euh, en cas de discussion, en cas de mésentente, en cas d'incompréhension, eh bien, la divinité qui aurait créé le ciel partirait avec son soleil. Dit, je ne peux plus rester là, ça va plus. Et ça arrive quand il y a association euh, souvent on, ne on peut pas se comprendre, on peut être dans un conflit. Et celle qui a créé la lune partirait avec sa lune. Celle qui a créé les étoiles partirait avec toutes ses étoiles. Celle qui a créé l'oxygène partirait avec son oxygène. Celle qui a créé l'eau partirait, celle qui a créé les oiseaux, etc. La face rata. Si tel était le cas, Allah dit, eh il arriverait un jour aussi c'est le chaos complet, c'est l'apocalypse. Parce qu'une fois que toutes ces divinités partiraient avec celles, ce qu'elles ont, qu'elles ont, créé, eh bien ma foi, qu'est-ce qui resterait Subhanallah, cela n'arrivera pas. Parce que c'est Allah qui a créé tout tout seul et il n'a pas besoin de qui que ce soit. Eh bien, le Tavut c'est ce que la longue histoire des, des prophètes, ces missions prophétiques dans l'espace et dans le temps, toutes ces missions sont venues d'abord pour confirmer le tawhid. En termes de rappel, Allah subhanahu après avoir créé toutes nos âmes dans le monde de la pré-existentialité dans le monde des atomes, il a interrogé toutes nos âmes en leur disant de que je ne suis-je pas votre Seigneur nos âmes ont dit, Bala, oui, Shahidana, nous, attestons. Ça, c'est dans le monde de la pré-existentialité. Eh bien, ce Bala, oui, nous attestons, doit être corroboré ici à travers les différentes missions qu'Allah a envoyées à l'humanité dans l'espace et dans le temps pour confirmer la kalimat tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah. Bala Shahidana, aussi nous attestons est devenu ici-bas, la ilaha illallah. C'était tout ce que les prophètes sallallahu alayhi sallam, à travers le temps, ont rappelé au Bani Adam. Parce que nos âmes, leurs âmes ont pris l'engagement de reconnaître que Allah seul mérite d'être adoré. Et c'est ici que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi à la Mecque avait comme et, première forme de contact avec la population dans le cadre de sa mission. Parce qu'on leur disait la ilaha illallah. Dites, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu C'est-à-dire, nier l'existence de toutes ces idoles auxquelles les Quraysh vouaient un culte séculaire. Nous voyons combien c'est éminemment révolutionnaire. Quand on vient leur dire, il faut carrément arrêter à partir d'aujourd'hui l'adoration de vos multiples idoles, de vos multiples divinités avec un D minuscule au profit de l'adoration d'un seul, d'une seule divinité, cette fois-ci avec un D majuscule, qui est qui Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient étonnés il va jusqu'à dire au prophète sallallahu alayhi veux-tu nous ramener à l'adoration d'une seule divinité qu'on ne voit pas donc, de toutes les façons il croit en l'existence parce que si on leur qui vous, qui vous a créé ils disent Allah donc à travers la fitra chaque Bani Adam c'est qu'il y a un créateur avec un C majuscule qui domine tout, qui a pouvoir sur tout. Mais Satan a eu raison de Bani Adam parce que sa principale activité, c'est de faire en sorte qu'il fasse chavirer beaucoup de Bani Adam pour les amener dans l'enfer où il était déjà. Il est déjà, sa place est réservée dans le Sahir. Et nous étions prévenus كان الله سبحانه وتعالى دي ألندرا دجار إيمي يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Nous sommes prévenus que Satan a comme principal plaisir, principale activité celle d'engager, d'embarquer, d'embourber le maximum de fils d'Adam au regard du contentieux qui le lie, qui le lie avec notre père Adam salam, à cause de qui il a été banni. Alors, il a demandé à Allah de le laisser tout le temps, qu'il va faire en sorte que les fils de celui-là il va les amener en enfer pour ceux qui, évidemment, l'auront suivi et nous sommes prévenus. Satan est votre ennemi <coughs> juré. considérez-le comme tel. Sachez que Satan a un parti politique, le parti de Saïr, c'est-à-dire le parti de l'enfer. C'est ainsi qu'il organise des meetings, il envoie des cartes, euh, n'est-ce pas il y a des gens qui assistent. et nous sommes prévenus. إنما يدعو هدبه ليكونوا من أصحاب السعير Il appelle les gens vers son parti pour les amener en enfer Alors, c'est ce que nous pouvons appeler Uluhiya, c'est-à-dire dans la ibadah. Nous pouvons alors l'affirmer sans crainte aucune d'ailleurs que le tawhid constitue le fondement de l'islam, le socle, la base, la dalle. Et son, plus, et son sens le plus élevé est exprimé sans équivoque dans la formule La ilaha illallah. La ilaha évacue toute possibilité d'accepter une divinité avec un D majuscule. Il n'y a pas cette divinité. Et divinité, qu'est-ce que c'est que la divinité C'est quelque, c'est quelque chose, maintenant quelque chose auquel on croit jusqu'à adorer, jusqu'à l'adorer, afin d'obtenir d'autres satisfactions. Ça, il n'y en a pas. Illallah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que cela veut dire. Il n'y a aucun Dieu ce qui atteste que lui seul est digne d'être adoré. Cette formule trace la ligne de démarcation entre l'iman, l'acceptation de l'islam, donc, et la verticale croyance en Allah wa ta'ala lui seul. Nous voyons qu'il y a un angle verticalement, il faut éviter d'être en conflit avec son Créateur. Et comment éviter d'être en conflit avec son Créateur C'est qu'Allah a tracé un certain nombre de modes de conduite. Il a empêché certaines choses. Parce que l'islam, en venant, bref, nous pouvons dire que l'islam ne nous a pas appelé, amené quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne connaissons pas. Avant de nous rappeler qu'on doit adorer qu'Allah subhanahu l'être humain dans sa nature bestiale, il adorait des arbres, des animaux, des djinns, etc., etc. Le travail abattu par Satan et sa horde. Donc, la notion d'adorer était et à nous. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous La là, il n'y a pas cette divinité auquel vous croyez. Inna sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, interdiction finale d'adorer qui que ce soit. L'islam est venu nous rappeler que nous ne devons nous marier qu'à quatre femmes. À l'époque, avant l'apparition de l'islam, les gens se mariaient comme ils voulaient, avec autant de femmes qu'ils voulaient. لسلام يبنيدير نت أريتي فإن كما ما لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواهدة أو ما ملكت أيمانهم ذلك أدنى ألا تقولوا لسلام يبنيدير نت أريتي برمي دو سي بوي تروا سي بوي كاتر سي بوي avec des conditionnalités si vous pouvez et si vous avez peur Alors revenez à une seule. Regardez comment. Et Allah qui a autorisé à marier jusqu'à quatre femmes. Allah, c'est lui qui a créé l'homme. Il sait que pour certains hommes, peut-être une femme leur suffit, pour d'autres, leur faut Parce que l'islam a trouvé les gens en, reconfirmant le principe du mariage. Pourquoi Pour éviter la fabrication Le premier exemple, Allah a dit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc arrêtez d'adorer les, les idoles. En ce qui concerne le mariage, Allah dit on confirme le principe du mariage. Et les ennemis de l'islam font un procès à l'islam. Mais l'être humain est foncièrement euh, doté d'une nature cavalière. Allah sait que pour certains, une femme, une seule femme ne pourrait les suffire, etc. etc. Alors, si vous pouvez vous avez jusqu'à 4. L'islam a trouvé les gens en train de faire du commerce. On fait le guiche, on fait le riba, on fait tout ce qu'on... L'islam est venu dire wa riba. À chaque fois, le principe adopté par l'islam, quand on vous interdit de faire ceci, et eh bien, on vous dira ce que vous allez faire de l'autre côté. Allah confirme le principe de faire du commerce. Mais Allah interdit le ruban. Est-ce que, est que nous sommes entendants Est-ce que nous comprenons d'abord ce que ça veut dire Si oui, est-ce que nous acceptons Si oui, comment nous nous comportons par rapport à cela Bref, donc il y a des valeurs que l'islam est venu nous rappeler. Ce n'est qu'un terme de rappel, etc., etc. Donc Allah a tracé un cadre, c'est celui-là qu'il convient à l'humanité et ça constitue donc une obligation. Alors, où on se range de ce côté-là et on sauve son âme ou on se rebelle, comme dans le premier temps à la Mecque, les Quraysh comprenaient très bien ce que la ilaha on veut dire. Hein. Ils le comprenaient très très bien. Nous disions que c'était éminemment révolutionnaire qu'il avait peur de dire cela, même par hypocrisie, parce qu'on n'a pas enregistré des manifestations d'hypocrisie à la Mecque, c'est à Médine, à la Mecque où on se rebelle contre l'avération de ses idoles et on devient musulman, on se soumet avec courage et nous savons historiquement les difficultés que les premiers soumis, en tout cas ceux qui n'étaient pas soutenus, avaient souffert ou alors on reste mécréant, associateur, on adore les idoles. C'est à Médine qu'on a enregistré des gens qui peuvent préférer la kalimat tawhid, la ilaha illallah, mais qu'intérieurement, ils ne sont pas convaincus. Pire, ils cherchent même à faire du tort ou du mal à ceux-là qui l'acceptent concrètement. Parce que on ne peut pas faire du tort ou du mal à l'islam. C'est une religion d'Allah. Euh, et d'ailleurs, cette religion a cette, religion a cette euh, particularité que plus vous la combattez, plus gratuitement vous lui faites, vous faites sa promotion. Voilà. Euh, l'avènement du 11 septembre l'a démontré. alors, évidemment, euh, au lendemain euh, de cet événement, beaucoup de gens ont accepté l'islam en se disant mais qu'est-ce qu'il y a dans cette religion-là, etc. Et aujourd'hui, les pays qui semblent s'opposer au développement de l'islam font la publicité de cette religion et au vu, ou à leur vue et à leur su, l'islam se développe chez eux et de plus en plus, ça les inquiète. Personne ne peut arrêter l'islam. Tout ce dont Allah subhanahu wa a décidé qu'il le serait, et eh bien, il serait croyant. Car Allah subhanahu wa a dit, s'il est revenu, il allait faire de nous tous des gens, chacun avec son ok pour aller au paradis. Il l'a fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa sha'a rabbuka la amana man fil ardu kulluhum jami'an » elle a dit à son prophète, s'il aurait voulu au prophète, il allait faire de nous tous des croyants. Mais, tel n'a pas été, parce que cette association vient après qu'une décision ait déjà été décidé par Allah subhanahu Il a créé tout un élément de couple. Il y a un paradis qu'Allah fasse comme soit les occupants et un enfer Donc, on ne peut pas faire de nous tous, soit des Corans pour aller tous au paradis, tel n'a pas été le système qu'Allah a décidé. Mais il rappelle au prophète que s'il est revenu, cela n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que qu'Allah fasse de nous tous des croyants. Et d'ailleurs, euh, dans un hadith au-dessus, Allah dit même si vous décidez de ne plus transgresser mes lois, tous, vous nous entendez vous devenez des bons musulmans, des bons croyants. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de, de, calomnie, il n'y a, pas de, il y a pas de tous ces travers, tous ces péchés. Non, vous décidez de, ne plus en commettre. Puisqu'Allah déjà décidé en amont. Eh bien, si vous décidez comme ça, vous dit qu'il pourrait complètement vous faire disparaître, et ramener d'autres populations qui, elles, transgresseront les lois de Allah, demanderont pardon à Allah, parce que la tribu fonctionnelle, il est là, il attend. C'est comme ça qu'Allah a dit. Donc, et la verticale croyance en Allah donc la ligne, de la ligne de démarcation entre humains en Allah subhanahu wa ta'ala et le kufur, c'est-à-dire la mécréance, la négation. Ainsi donc, l'absence ou le défaut du tawhid annihile et invalide tous les actes d'adoration, à savoir, s'il n'y a pas de tawhid, c'est-à-dire si on n'accepte pas en l'unicité d'Allah et lors de nos précédentes euh, de nos précédents entretiens, nous en avons évoqué, n'est-ce pas Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Euh, il faut accepter que Allah est un. Et, l'inquiétude, nous allons retourner encore à la même au début de la mission du prophète non seulement tu vas nous ramener à l'adoration d'une seule divinité ça c'est c'est quelque chose d'assez curieux au Mohammed alors c'est ainsi que justement au niveau de la Mecque il posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais cette divinité à laquelle tu nous invites à adorer toute seule elle est en quoi en bronze en or en argent en argile etc pour toute réponse, Allah subhanahu wa révélé à son prophète dis-leur, Allah Allah Samad. Allah est un. Et Allah Samad, tous les besoins que nous avons, nous les présentons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il n'a besoin de, de rien. Ses attributs dont nous en avions parlé lors de notre euh, précédent de entretiens. Et, et, à travers ces, attributs, Allah n'a besoin de rien. Al-Razab, c'est lui qui prévoit à tous nos besoins. Donc, croyons à la l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, acceptons qu'il est seul et sans associé sans partenaire, il a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les espaces interstellaires, sans qu'il ait recours à une quelconque compétence ou à, un quelconque besoin de matériel. Sinon, où Allah, subhanahu wa ta'ala, et aller chercher le matériel pour construire tout ce que nous voyons, pour créer tout ce que nous voyons. Allah se passe de tout cela. Il utilise deux lettres, Kafun et Nun, et c'est fini la chose soit selon la volonté de la subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir du moment où on ne comprend pas cela, ou à partir du moment où cela fait défaut, n'est-ce pas Et le fait justement de ne pas y croire ramène l'individu au cirque, l'associationnisme. Le temps ne nous a pas permis d'en parler, mais ce n'est que partie remise. Alors à partir du moment où il n'y a pas de tawhid, c'est-à-dire cette reconnaissance en Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique, sans associé, et en réponse, Allah a fait descendre donc Wallahu Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On ne se réunit à travers des à travers un imaginaire anthropomorphique, c'est-à-dire donner une image à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ignorons Comment est sa nature Sa qualité, nous ne savons pas. Dans notre intervention, le prophète nous a dit «Fakirufi zatihi. Réfléchissez à travers les signes d'Allah subhanahu la preuve de son existence, c'est ça qui nous entoure. Tout cela ne s'est pas créé tout seul. Alors c'est ça qui devait être notre champ de prédilection dans la recherche de la connaissance la subhanahu Nous devons accepter que c'est lui qui a créé tout ça, donc il existe. Même si par ailleurs, nous ne savons pas comment est sa nature, comment est son essence, etc. etc. Alors à partir du moment où cela manque, même les prières qu'on fait ne servent à rien, dans la maison on va attribuer une, un semblable ou bien un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pas de prière, pas de hajj, pas de zakat et pas de jeûne. Or, c'est ça la charpente de l'islam. Même la kalimat euh, taïra, l'acceptation de la ilaha illallah, une fois qu'elle est dite, et si on associe à cela autre chose, même elle tombe complètement. Donc il faut avoir un tawhid, c'est-à-dire une cohérence ferme, vraiment un euh, en béton. C'est-à-dire que Allah est un, c'est lui qui a créé tout. Et Allah a dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Si nous comprenons cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable en toutes choses, eh bien, nous ne pouvons que nous conformer à sa volonté, à son désir, et qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Tel est en ce jour euh, de vendredi les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici en termes de rappel, parce que le rappel est utile pour ceux qui portent la foi. Nous prions Allah de nous pardonner les erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager ce que nous avons dit juste. يكل qu'il أن en termes de hasanat. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense. Et qu'Allah fasse سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا بائل بيننا وبين اختنا ربنا بائل بيننا وبين اختنا كما بأت بين المشرق والمغرب ونكي قلبنا كما ينقى بالاب الابيض ربنا وتقبل دعاء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم